tant que nous, parents d'élèves, et l'État, nous n'acceptons pas d'aller euh, ensemble pour protéger ces enfants. Tout à l'heure, euh, le représentant des scolaires a évoqué cette question de distanciation. C'est vrai, à leur niveau, collège et lycée, ils peuvent être un peu éclairés là-dessus. Cela nous incombe nous tous. Les scolaires aux plus grands qui ont l'âge avancé du collège et lycée, ils comprennent le message, mais pour le primaire, j'interpelle les enseignants et les structures de parents d'élèves locales d'accompagner leurs enfants pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de la ville de Niamey aussi, de nous associer pour que nous puissions faire une euh, caravane de sensibilisation le plus tôt possible envers nos parents, les, parents d'élèves et les enfants pour qu'ils puissent, euh, chacun de nous, qu'il soit euh, éclaireur de son enfant.